le déversement d'hydrocarbures et les déchets nuisent gravement aux terres agricoles. Donc euh, il y a une forte popularisation. En long terme, ils rendent les sols fertiles et font baisser leur productivité. Ils détruisent les sources de subsistance des populations et constituent une menace pour la biodiversité et les écosystèmes. Donc, euh, si on prend l'exemple d'un pays comme le Nigeria, avec une production de 2,4 millions de barils par jour en 2005, le Nigeria est le premier producteur africain et le 11e mondial. En 2005, l'exploitation a rapporté au gouvernement central 37 milliards, 37,7 milliards de dollars, soit 80% des revenus de l'État et 95% de de, de ses exploitations. Depuis 1960, euh, le pétrole a rapporté plus de 600 milliards de dollars au Nigeria. Et pourtant, le pays est aujourd'hui l'un des plus, les, pays les plus pauvres du monde, avec, un taux, avec plus de 66% de sa population euh, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y a un problème. Euh, il y a un risque, toujours dans le cadre des risques, de désertification, d'intoxication, de propagation des maladies telles que les maladies respiratoires, le cancer, du fait des déversements et des torchères de gaz à ciel ouvert qui produisent euh, du dioxyde de carbone, le CO2. L'émission des dioxydes de carbone pose des problématiques de santé publique et de sécurité dans ces zones-là. Euh, les déversements dû à la corrosion, à la corrosion des, des, oléoducs pose aussi des problèmes de santé. Donc, euh, autant de problématiques aujourd'hui qui, pour nous, nécessitent de dégager la piste de réflexion, de travailler sur le terrain de la réflexion pour éviter, pour éviter que de tels drames euh, se produisent au Sénégal, parce que il y a une nouvelle économique, il y a une nouvelle ère économique qui va s'ouvrir dans ce pays avec cette manne pétrolière et gazière euh, qui est devenue le Sénégal. Donc euh, il y a risque et il faudrait évaluer ces risques-là et mettre des stratégies, des stratégies de gestion, de prévention et de gestion de ces risques-là pour éviter le chaos pour éviter une forte paupérisation des populations, pour éviter les maladies dues à des problèmes d'intoxication, les maladies respiratoires, les, épidémies, euh, je dirais même le cancer, avec euh, la forte émission de dioxyde de carbone. Donc, euh, je crois que c'est dans cet optique-là, pour, être, pour ne pas être très long, que nous avons voulu vous rencontrer pour voir effectivement quel cadre de réflexion il faudrait aujourd'hui mettre sur pied euh, pour euh, gérer tout cela, euh, pour, gérer, pour éviter aussi le pillage, le pillage économique des, compagnies pétrolières. Parce qu'au Sénégal, on en a parlé, mais les gens ont parlé de, répartition, ont parlé de, beaucoup de choses, mais sauf les risques, les risques qui sont liés à la gestion néfaste euh, des conséquences de, ces exploitations-là. Donc je crois que euh, aujourd'hui, les défis sont là. Il y a des défis sécuritaires. Euh, il y a des problèmes de santé publique. Et si le Sénégal ne prend pas les devants il y aura un pillage de masse de ces ressources-là. Et malheureusement, cette manne pétrolière et gazière ne profitera pas au Sénégal pour lutter aujourd'hui contre l'extrême pauvreté, euh, pour lutter contre le chômage endémique des jeunes qui pose des problématiques de paix et de sécurité. Donc euh, voilà en fait euh, la piste de réflexion que nous avons voulu partager, notre vision aujourd'hui sur ces problématiques liées, qui peuvent être liées à une gestion néfaste des conséquences euh, de ces découvertes-là qui ont été faites au Sénégal en ce qui concerne le gaz et le pétrole. ci gàttal balaa may jox maître Dabo micro Euh, d'abord je vais di remercier waaw ci seen taxawaay ak sa présence parce que xat-xat yu problèmes, problème yu mais taxul avez des problèmes, lépp daal di pour déglu parce que les enjeux sont majeurs donc euh, may profiter encore une fois de remercier toute la presse sénégalaise ce soutien bi depuis que nous sommes au Sénégal beneen bi damay commencer par Djalé. Djalé, euh, Djalé leen ko jaale ko suñu tout le Sénégal euh, li nga vous savez tey moo am moo am bërki c'est mooy dëj bi nga xam ni tey bi Sénégal surtout cette jeunesse sénégalaise ba nous, indi que nous ni tey perte nañ seen bakkan kon horizon sans frontières, di ànd ak Sénégal di ànd ak yéen di ànd ak àddina bi yëpp di ko jaale suñu aussi euh, di aussi que di ñaan aussi que yii mu mais aussi nous jël ay matuwaay ñu Nous situer les responsabilités Faire ba tey que la notion d'imputabilité soit appliquée dans ce pays-là képp koo xam ne tu es détenteur de pouvoir public yu mel ni su amee tey on te met devant les faits accomplis parce que nous avons constaté beaucoup de laxisme te xoo xoolee du mujj fenn dañ ci wax ñaari fan mu jeex yooyu aussi je crois que yu mat a bàyyi xel la waaw su loolu passé nag euh, waxtaan bi tey mooy Sénégal euh, dafay aborder beneen Air. au plan de vue géopolitique parce que dafa am ay découvertes une une fi une fi yu na parce que nit ñi dañ ko waxul euh, mooy ay découverte une feeñ yu pétrole les hydrocarbures pétrole et gaz Il y a eu am ci décret des études sociographiques l'ont démontré dëkk yu mu am rek soo xoolee fitna dafa yeewu coow dafay bëri ndóol tamit au lieu mu mu mu mu mu mu suqali dëkk ba mais da leen di gën a ndóolloo waaw mu jaaxal nit ak yeneen risque yoo xam ni tey ay feebar euh, des problèmes de maladies respiratoires même le cancer ak yeneen ak yeneen découverte exploitation pétrole bi suñ ko deful bu baax rek dafay indi ay problème donc loolu nag ñu ne woon tey il faut que ñu woo leen waxtaan ci ak yéen euh, pour ñu mën a déblayer le terrain avec des pistes de réflexion yoo xam ni xëy na euh, suñ ko dafee euh, li ñuy ragal xëy na sax du ñàkk mais nag dina fexe ba mu wàññeeku loolu tax tey maak suma naataango maître Cheikh Tidiane Dabo moom il est avocat au barreau de Strasbourg au barreau de Strasbourg ñu wooti waxtaan ak yéen pour aussi que Sénégal ñu mën a jël ay matuwaay parce que soo xoolee tey euh, wax naa ko léegi pétrole dafay dafay dafay dafay appauvrir dëkk yi nga xam ni tey euh, ñoom la feeñ foofu la feeñ au lieu mu yokk leen da leen di appauvrir loolu mu nekk euh, contradiction boo xam ni day yaaxal nit ñi parce que on la consommation mondiale du pétrole euh, le pétrole fait l'objet de beaucoup de convoitises à à parce que les pays développés ont un modèle économique énergivore Nous dañu le pétrole ils ont xoolee répartition Amérique Amérique du Nord point de vue population 5 de la population mondiale la consommation 25 de la production mondiale L'Europe hein? Europe 9 euh, c'est 21 les pays occidentaux rek pratiquement la moitié de la production mondiale Afrique Afrique 16 de la population mondiale ñom, 3 donc vous comprendrez avec moi le problème est au Sénégal Tay, courant bu amé tay, bu un courant du am te pourtant tay, wax nañ ni Sénégal pays producteur la euh, nga jël Asie ñom ñoo ëpp ci adina, nous plus de 60 leur leur leur consommation 30 il y a une disparité euh, De qui am pétrole il parce que euh, une mauvaise exploitation les conséquences néfastes d'une mauvaise exploitation euh, y une des déversements des déversements dus à la corrosion des oléoducs euh, les torchettes de gaz a di xam nga yooyu dafay indi ay réchauffement dafay indi ay problème euh, climatique euh, dafay dafay indi gisoo euh, des menaces sur la biodiversité les écosystèmes parce que dafay dafay dafay produire du dioxyde de carbone mooy CO2 boobu boo xoolee les terres agricoles sont menacées ba nga xam ni dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ni suñu deful nànk rek euh, ci année yi di ñëw kenn dootu fi mën a bay parce que loolu day yàq tool yépp xam nga loolu kon erreur la ci baykat yi nappkat yi boo avec les déversements yi di am gis euh, entre 1976 et 2001 PNUD nee na plus de 6800 déversements à àddina bi ça, saa bu déversement si vous euh, les compagnies pétrolières doivent respecter les règles de pollution et de dépollution parce que la pollution vous da ngeen dépolluer mais gis nga que bu Sénégal l'Afrique, bu Afrique les États ont un déficit euh, en ce qui concerne un déficit de gouvernance politique et économique les compagnies yi les états africains parce que pétrole y indi des inégalités il indi ay ay ay corruption dafay indi ay problèmes yu bëri ci alors euh, moo il faut que nous parlions pour que état bi mu jël ay matuwaay dëgg su non seulement pétrole bi euh, du Sénégal gaz bi parce qu'on parle de plus de 2,5 milliards de barils avec un rythme de production au Sénégal ça peut aller de 120 de 100 à 120 000 barils par jour

s'il y a une forte paupérisation quelle est la cause de la migration au Sénégal c'est la pauvreté dem donc il y a des ak qui ici, si nga xam gis nga euh, cancer déjà on n'a pas de matériel adapté pour régler les problèmes cancer mais si on a di gens di nga gis ni février, il dafiy yokk moo tax yooyu yëpp dafa a tax ñii fi nous ñu jël ay parce que gouverner et prévoir il faudrait mettre des stratégies des prospectives initiatives initiatives du moins euh, pour mener gérer tout cela suñ ko dafu rek ay njaaxum lay indi ci dëkk bi loolu dal ci gattal mo taxone tay maag suma naataango maître Dabo mom lay jox mu continuer mom juriste la pour dugg ci domaine yoy aussi euh, benen facteur bo xamni tay dafa am il faut que ñu ñukoy ki parce que le Sénégal fay nek pays producteur xam nga le Sénégal attire par sa stabilité parce que so xolé du point de vue africain 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers le Sénégal. Mais avec cette manne pétrolière et gazière, le Sénégal attire. Il y en a une les compagnies pétrolières, il y aura une délocalisation de ces compagnies à travers le monde. Ay vont parce que dafay xëcc loolu aussi Warnatak, Sénégal jël ay pour éviter cette économie criminelle en gestation qui charrie le trafic de drogue le trafic d'êtres humains le trafic d'armes etc. y pose des problématiques sécuritaires les enjeux sont là et je crois que faut euh, l'objet du débat ça devrait être l'objet du débat électoral dans ce pays-là on aurait souhaité avoir ça comme offre électorale Tibir parce que quel est l'enjeu c'est la protection des citoyens sénégalais le Sénégal euh, va attirer par cette manne euh, pétrolière donc de fait, le Sénégal sera un pôle attractif de migration et de mixité l'objet d'un débat de fond dans ce pays-là pour éviter les risques de maladies, les risques euh, Yenen ak Yenen. ba nga nous ne exploité le Sénégal waroon na a développer euh, euh, des recherches appliquées dans le domaine de ces technologies-là dans ce domaine des hydrocarbures pour former un doomam au lieu de nous exploiter richesse richesses, nga piller parce que aussi euh, il faut, ce qu'on qu doit éviter, c'est le vagabondage éco économique. Des compagnies, union, parce que nous, ils ont besoin de ça. Les Sénégalais, ils ont besoin de ça. Vous savez, ils ont feebar, ndol, ak ay njaaxum yoo xam ne du fi ko jëlee te te comme ni ma dit, des études sociographiques l'ont démontré gis nga tey soo jëlee l'éclatement en 2008 euh, dans le delta du Niger soo jëlee l'éclatement de l'oléoduc de de de de de de de de bi euh, en pays ogonu de Bado gis nga lim fa indi ay njaaxum euh, déversement bi dafa ñew yak jëni yak yi fa population bi nga xam leur moyen de subsistance mu ngi doon jógee ci ndox mi ak ci ñëpp dañoo kon pétrole donc Sénégal soit amul fayda rek ay yeneen nit ñoo jóge fële ngàcc lépp indi fi ay njaaxum yoo xam sénégalais yi duñ ko xam ko nuñ ko pour waxtaan ci alors euh, pour la sonnette d'alarme parce que lii rek mettre ci euh, comme ça mon mou continue à bien voilà li si des après s'il y a des questions nous Donc, je voudrais euh, d'abord vous remercier euh, pour votre présence à cette conférence qu'on a bien voulu organiser parce qu'en fait, euh, c'est un sujet qui, qui vient juste d'une réflexion. quand je suis venu ici il y a, il y a 10 jours, j'ai fait le tour un tout petit peu, j'ai fait des recherches au niveau du Sénégal pour me rendre compte effectivement si euh, tout ce que l'on entend à travers la découverte des hydrocarbures au Sénégal, est-ce qu'il y a une, incidence, une implication au niveau de la législation euh, sur la migration Parce que comme vous le savez, euh, lorsqu'il y a des, des découvertes. Je dis des découvertes parce qu'au Sénégal, il n'y a pas qu'une découverte, c'est des découvertes. Parce que partout, apparemment, il y on découvre euh, le pétrole, le gaz. Euh, ça, ça attire. Ça attire. Euh, il y aura forcément un boom migratoire. Et si vous vous rendez compte vous-même, vous vous apercevez que dans tous les pays où il y a du pétrole, vous allez en Afrique, par exemple au Gabon, en Angola, en Guinée équatoriale, vous allez euh, euh, en Asie, pareil, vous allez au Moyen-Orient, pareil. C'est des pays où, pour rentrer dans ces pays-là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un durcissement des conditions d'entrée dans ces pays. Or, j'ai l'impression qu'ici au Sénégal, on risque de subir, en tout cas, ce boom migratoire. C'est vrai que le Sénégal est un pays de la Teranga, mais pour des raisons de sécurité, je pense que les autorités doivent commencer à réfléchir. Parce qu'en tout cas, moi, ce que j'ai vu au niveau euh, de la législation, il n'y a pas quelque chose qui est prévu. En tout cas, si vous le connaissez, peut-être vous pouvez aussi euh, euh, m'informer par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai fait une toute petite recherche depuis que je suis là. Je n'ai pas vu quelque chose qui a trait, qui a rapport à une législation migratoire par rapport à la situation de, euh, de, la découverte des hydrocarbures au Sénégal. Parce que euh, il faut savoir que, comme l'a dit euh, M. Boubacar Sey, dans tous les pays où il y a ce problème-là, souvent c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit maudit soit le pétrole. Il y a toujours des problèmes. La criminalité est grandissante, les problèmes sociaux, il faut faire en sorte que la législation locale, nationale, soit en adéquation avec le nouvel ordre. Parce qu'il y a un nouvel ordre au niveau démographique, c'est-à-dire qu'il y aura un doublement de la population, forcément. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, euh, au Sénégal, je ne sais pas si vous le savez, euh, au Sénégal, apparemment, il y a des cartes de séjour. Enfin, moi, je ne le savais pas. Je voyais tout le monde, les étrangers qui sont là, je ne savais pas qu'effectivement qu'il y avait des cartes de séjour. En tout cas, s'il y a des cartes de séjour, l'obtention n'est pas compliquée. Ah, contrairement aux, autres pays, quand vous allez par exemple euh, au Gabon, bah, obtenir une carte de séjour au Gabon, c'est la croix et la bannière. Et pourtant, on est en Afrique. Vous allez en Angola, c'est la même chose. Vous allez en Guinée équatoriale, n'en parlons pas. Alors, le Sénégal, c'est un pays d'avenir. Avec ces découvertes-là, forcément, va se poser la problématique de la migration. Et donc, est-ce que l'État, les autorités sont conscientes euh, de cette problématique-là J'ai l'impression que non. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on entend La part d'un tel, la part d'un X, d'un Y dans la répartition des ressources, mais les conséquences démographiques, on n'en parle pas. Les conséquences démographiques, surtout la déclinaison par rapport effectivement à la migration, on n'en parle pas. Et, et, moi, ça m'inquiète, ça m'inquiète d'autant plus que Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, parce que quand même, il ne faut pas l'oublier, on est dans, une, dans un monde euh, de mutation. La problématique sécuritaire, elle est là. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui au Sénégal, parce que soi-disant que le Sénégal est un pays de la Teranga, on ne prend pas les dispositions. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer finalement C'est qu'on risque de subir. On risque de subir. Et à mon avis, bah, écoutez, les gens sont au courant qu'au Sénégal, il y a quand même euh, la découverte des hydrocarbures. Dans, un proche avenir, ce sera, entre guillemets, l'Eldorado. Il ne faut pas qu'on se le cache. Eh bien, vous, aurez, vous allez avoir ici, euh, que ce soit euh, les Occidentaux, que ce soit les Africains, qui vont tous venir au Sénégal, et il y aura un problème vis-à-vis des autochtones. Et je crois que là-dessus aussi, on doit mettre l'accent, parce que qu'est-ce qui va y, aura, il y aura le problème des terres qui vont se poser. Ça, ça va se poser, le problème des terres. Parce que quand même, les gens vont, euh, on va les pousser à abandonner leur terre. Il y a la problématique de, euh, des conséquences liées, par exemple, à une éventuelle marée noire, parce que quelqu'un qui dit découverte des hydrocarbures doit anticiper, par exemple, lorsqu'il y a euh, des, marées noires. Parce que des marées noires, il y en aura. Mais qu'est-ce qui, qui, est prévu là-dessus Rien n'est prévu. Est-ce qu'on va appliquer ce qui se passe par exemple en France, euh, le concept, le principe du pollueur-payeur Tout ça, on ne le sait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même, il ne faut pas qu'on subisse, il faut qu'on anticipe, parce que si on anticipe, ça nous permet effectivement de voir venir. Et malheureusement, c'est ce qui, d'ailleurs, je vais faire une petite digression, c'est ce qui s'est passé avec, avec euh, le, terrible événement de, dimanche au stade d'Embadiop. Parce qu'il y a un problème d'anticipation nous, on a ça en Afrique. C'est-à-dire qu'on subit. On n'anticipe rien du tout. Parce que si on avait anticipé ce qui s'est passé, par exemple, euh, avant-hier au stade d'Embodio, ça ne serait pas passé. Même si on est fataliste. On prend toujours les choses à la légère. Et ça va, en tout cas, le problème des hydrocarbures au Sénégal, ça va poser un problème si on ne fait rien. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. Démographe, juriste, sociologue, même les démographes, parce que quand même, il faut revoir au niveau du doublement de la population. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui va être prévu Les juristes, quand même, les conditions, poser le cadre juridique de l'entrée et du séjour des étrangers au Sénégal. Est-ce que le dire, se devient nationaliste Non, c'est pareil à des éventualités parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de mutation mais terrible. La sécurité doit être aujourd'hui le créneau de tout le monde. Le Sénégalais doit être quand même en sécurité dans son pays. Je crois que c'est le minimum. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que le Sénégalais, quand il va, par exemple, euh, le Sénégalais qui part en Europe, qui a des difficultés pour obtenir un titre de séjour, l'Européen qui arrive sur le territoire sénégalais, il va être attiré par... Parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier que ce sera aussi le migrant économique. Parce que ce sera le migrant économique. Lui, il va venir au Sénégal, il aura tout ce qu'il faudra pour s'installer au Sénégal sans problème. Alors que le Sénégalais, on l'accuse de, de migrant économique, on le repousse euh, euh de, l'Europe pour qu'ils reviennent sur son territoire. Et, ça, la problématique qui s'est posée en, en, Europe, euh, parce que quand même j'ai l'habitude de travailler sur ces histoires de, de titres de séjour-là, ils ont adapté la législation avec le boom migratoire. Quand ils se sont rendus compte effectivement que euh, ça va poser un problème, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des législations draconiennes, drastiques. Et pourtant, c'est des pays soi-disant des droits de l'homme. Mais nous, au Sénégal aussi, on doit aussi anticiper ce boom migratoire-là. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète aujourd'hui. On met trop l'accent sur l'aspect économique. D'accord, mais il y a l'aspect démographique. Et c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous poser cette question-là de quelle population, mais juste, surtout, quelle est euh, la société que nous, nous voulons demain pour soit nous, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui axer le débat, centrer le débat, parce que ne faut pas oublier une chose, il y aura la mixité, comme, a dit tout à l'heure M. Euh, mutation, mais terrible. La sécurité doit être aujourd'hui le créneau de tout le monde. Le Sénégalais doit être quand même en sécurité dans son pays. Je crois que c'est le minimum. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que le Sénégalais, quand il va, par exemple, euh, le Sénégalais qui part en Europe, qui a des difficultés pour obtenir un titre de séjour, l'Européen qui arrive sur le territoire sénégalais, il va être attiré par... Parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier que ce sera aussi le migrant économique. Parce que ce sera le migrant économique. Lui, il va venir au Sénégal, il aura tout ce qu'il faudra pour s'installer au Sénégal sans problème. Alors que le Sénégalais, on l'accuse de, migrant économique, on le repousse euh, euh, de, l'Europe pour qu'il revienne sur son territoire. Et, ça, la problématique qui s'est posée en Europe, euh, parce que quand même j'ai l'habitude de travailler sur ces histoires de, de titres de séjour-là, ils ont adapté la législation avec le boom migratoire. Quand ils se sont rendus compte effectivement que euh, ça va poser un problème, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des législations draconiennes, drastiques. Et pourtant, c'est des pays soi-disant des droits de l'homme. Mais nous, au Sénégal aussi, on doit aussi anticiper ce boom migratoire-là. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète aujourd'hui. On met trop l'accent sur l'aspect économique. D'accord, mais il y a l'aspect démographique. Et c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous poser cette question-là de quelle population, mais surtout, quelle est euh, la société que nous, nous voulons demain pour soit nous, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui axer le débat, centrer le débat, parce que ne faut pas oublier une chose, il y aura la mixité, comme, comme, a dit tout à l'heure euh, M. Sey, mais cette mixité-là doit être fondée sur des socles solides. Et ces socles solides-là, qu'est-ce qu'ils vont le faire Ces socles solides-là, c'est des législations, que ce soit des législations sur le plan de la migration, mais des législations sur le plan environnemental, mais des législations aussi sur le plan, effectivement, euh, économique. Parce qu'il y a une imbrication euh, euh, euh, des, problématiques juristes, légales, économiques et sociologiques. Et là-dessus, moi, je n'ai pas vu, en tout cas à ce jour, il n'y a pas un débat qui est en tout cas fait sur cette, problématique-là. Et ça m'inquiète, et je vous le dis, ça m'inquiète d'autant plus que je vois aujourd'hui cette migration que peut-être vous, n'apercevez pas et que nous, on, aperçoit. Parce que moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis à l'extérieur à chaque fois quand je reviens au Sénégal, je vois un changement dans les quartiers. Je vois une population qui change. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que, euh, toujours encore une fois de plus, on est confronté à une certaine criminalité qui n'était pas connue des Sénégalais, mais une criminalité atroce. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça Mais c'est la, non-préparation, je dirais l'impréparation, effectivement. de La société sénégalaise cette, à cette, je dirais, à cette migration-là. Et je pense que les autorités sénégalaises, aujourd'hui, sont responsables en quelque sorte de l'absence d'une législation migratoire. Et vous ne verrez pas, moi en tout cas, je n'ai pas encore vu au niveau, que ce soit de l'État ou de l'opposition, qu'on pose le problème de la législation sur les étrangers. Pourquoi, pourquoi il y a un tabou sur ça Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on pose ce problème-là. Il ne faut pas qu'on continue à nous dire que bon, parce qu'on est un pays de la Teranga, qu'on ne doit pas poser ce problème-là. Et ça ça, ça, ça risque de nous perdre. Et il faut qu'aujourd'hui, qu'on quand même, on arrive à poser ce débat en se disant, effectivement, en étant un pays de la Teranga, ça, nous, ça ne nous, empêche pas de prendre une législation, une législation sur la migration et surtout sur le droit de l'entrée et du séjour des étrangers ici au Sénégal. Et c'est le. Moi, comme au taxe de nationaliste ou je ne sais pas quoi, je, l'assume parce que je le, vis ailleurs. Je vois comment on traite les Sénégalais à l'extérieur. Je vois comment les Sénégalais ont des difficultés, effectivement, pour obtenir le titre de séjour. Et comment on rapatrie dans des conditions extrêmement, mais abominables des Sénégalais, surtout venant de France. Et là-dessus, quand je vois ce qui est fait, le code de l'entrée et du séjour, moi je rêve qu'au Sénégal, qu'il y ait un code de l'entrée et du séjour des étrangers ici au Sénégal. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui de poser ce débat-là au regard des chances de développement économique du Sénégal à l'horizon 2030-2035. Euh, Et donc voilà, euh, je pense que la problématique qui se pose, mais aussi la problématique de la responsabilité euh, éventuelle, je dis la responsabilité éventuelle des pollueurs, parce qu'il va y avoir de la pollution. Mais qui va assumer cette pollution-là Est-ce qu'on a une législation par rapport à ça Non, il n'y a pas de législation. Il n'y a pas de législation sur ça. Parce qu'on est en phase d'une situation nouvelle. Et quand on dit que c'est une situation nouvelle, il faut quand même une, législation nouvelle. Vous, n'avez pas entendu les députés, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui quand même fait, ça me fait mal au cœur. Pendant toute la législature qui est passée, même surtout les, deux dernières années où effectivement le problème des hydrocarbures s'est posé avec acuité, vous n'avez pas entendu parler un seul député. Euh, dire voilà nous allons faire soit une proposition ou essayer d'influer au niveau du, du gouvernement qui a un projet par rapport à ça, pour qu'on dépose, euh, qu'on en discute au niveau de l'Assemblée sur la problématique des hydrocarbures face à la migration. Je ne pas entendu parler. Je n'en ai pas entendu parler. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un débat qui intéresse aujourd'hui ceux qui, nous gouvernent, ou au moins ceux qui, euh, en tout cas, votent les lois. Et pourtant, ça doit être un débat qui les intéresse au premier chef. Parce qu'il s'agit de la sécurité des Sénégalais, la vie des Sénégalais. Et je pense que eux, ils sont là pour les Sénégalais. Ils sont élus en principe par les Sénégalais et pour défendre les intérêts des Sénégalais. Et défendre les intérêts des Sénégalais, c'est de vérifier et de voir qui rentre sur le territoire sénégalais et qui fait quoi et qui doit rester sur le territoire sénégalais et qui doit sortir du territoire sénégalais si vous ne remplissez pas les conditions légales. Donc voilà en tout cas, moi, le débat que j'aimerais bien poser par rapport à la situation nouvelle qui se pose au Sénégal. Et une petite digression encore par rapport à, l'événement qui s'est passé euh, récemment le samedi, je crois. Je sais que le procureur de la République va tenir une conférence de presse euh, cet après-midi, d'après ce que j'ai entendu dans la, presse. C'est un moment extrêmement difficile. Difficile, dur. Mais euh, je crois qu'à un moment donné, face à ce genre de situation. Je peux vous dire que c'est arrivé partout. En France, on, a l'exemple de Fruyani, un pays développé. Vous avez ce qui s'est passé en Angleterre, récemment en Égypte, mais je pense qu'on peut tout régler euh, en étant dans le respect des procédures. Il ne faut pas tout de suite chercher des boucs émissaires dans cette histoire. Et moi, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'émotion. Il faut éviter d'agir dans l'émotion. Et quand on agit dans l'émotion, ben, il y a des innocents qui risquent de passer à Une instruction doit être menée. J'ai entendu dire qu'il faut un délai de un mois pour qu'une instruction puisse aboutir et aboutir à des sanctions. Moi, je pense que c'est un peu, un peu risqué de dire, surtout euh, l'importance du drame, parce qu'il y a huit ou neuf morts. On ne peut pas, euh, au bout d'un mois, boucler une instruction et livrer des gens à la police, livrer les gens au tribunal pour être jugés pour ces faits-là. Je pense que euh, il faut, prendre son temps, il faut situer les responsabilités. Commencer d'abord, parce que vous ne pouvez pas tout situer les responsabilités. Je crois qu'il faut commencer à situer les responsabilités, voir qui a fait quoi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'instruction, euh, que l'instruction puisse être menée et que euh, la lumière soit faite dans cette, dans cette histoire. Moi, euh, la recherche de responsabilité ne doit pas aujourd'hui engager effectivement ou impliquer tout de suite l'arrestation de personnes éventuellement Voilà ce que j'attire l'attention aussi du parquet par rapport à ça. je sais qu'il y a l'émotion, mais tout de suite, chercher à, à mettre des gens arrêter des gens parce que, soi-disant que ce seraient ces gens-là qui seraient euh, l'auteur des faits, surtout quand il y a des mouvements de foule, arriver à identifier quelqu'un, c'est assez difficile. Donc voilà euh, en français ce que je voulais dire. Euh, ma vais tout correct, ci ci wolof très rapidement comme ni ma ko waxee ci ci ci suis kàllaama nasaraan man Sénégal depuis fukki fan Euh, dama def ay dama gëstu gëstu lu bari ci ci wàllu yoon euh, ci lu Sénégal def euh, pour jël ay matuwaayam ci li nga xam ne mooy xéewal parce que mun nañu wax ne xéewal bi ñu suñu boroom àndil mooy pétrole bii nga xam ne ak gaz bi gis nañ ko ci suuf Sénégal loolu nag bu amee ci réew day andi ay jiixi jaaxa andi ay tolof tolof tamit andi ay problème yoo xam ne euh, dina am ci dëkk bi forcément mais loolu mun nañ ci jóg léegi ndax waruñu xaar euh, ba euh, jiixi jaaxa yooyu am ñu doog a jël suñu matuwaay suñu matuwaay léegi la ko nguur gi war a jël nga xam ne ñoo ñuy ñoo ñuy ñoo ñuy diriger léegi lañ ko war a jël. nan lañ koy jëlee mooy dañu war a xool li nga xam ne moom moo am ci yeneen dëkk yi parce que yeneen dëkk yi tey jii yéen ñi nga xam ne yeneen journalistes yi yéen a nekk fii bu ngeen bëggee dem ci yeneen dëkk yi damay jël sax exemple mooy temps wu euh, Coupe d'Afrique bi amoon Malabo am na ay journalistes yoo xam ne doon nañ bëgg a dem mënuñu dem parce que condition yi nga xam ne yu ñuy teg condition d'entrée ci pays yooyu dafa doy waar ndax lu ko waral mooy pétrole bi fa am parce que foog nañ ne képp ku ñëw rek pétrole bi moo la fa andi te tamit dañuy ragal donc ñun waa Sénégal tey balaa ñoo nekk di exploiter affaire pétrole bi war nañ jël suñu matuwaay ci wàllu yoon xool kenn mooy dugg ci dëkk bi kuy wàllu yaan si ak ku dul wàllu yaan si kuy dugg ak ku dul dugg comme ni ma ko waxee sànq ci na nasaraan ne dañu naan Sénégal réew réewu teranga la wa rew taranga nak du tax euh, wa senegal duñ jël sen matuway ndax dëkk yëpp tay dañu am problème par rapport ak sen sen sen karange moy manam sécurité bi donc jël ay ay ay ay ay jël ay ay ay loi ci walu bobu nek na lo xamné lu war la lu war mëna doon la lu am solo lay doon aussi ndax dina dina ar sénégalais ci walu conséquences yi nga xamné ne Eh, wàllu yaan yi ñi nga xamne ñoy ñooy yaan dinañ ko andi ndax ku wax migration rek da ngay wax waxu problème parce que migration malheureusement dañ ko lié ak problème mais surtout pays yi nga xamne dafa am euh, pétrole ngeen démé ngeen xol pays yi nga xamne yépp dañ am pétrole pour nga dugg fa rek problème bo démé bu dugg fa sax pour nga tok fa da ngay wone ay keuyitu lèr pour nga mën fa tok ba pare ñom mu am préférence nationale manam euh bala yow mi nga xamne ya walian ci bala balaa ñu laa jël dañu jël ñi nga xamne ñom ñoo nek ci dëkk ba ba par lolu c'est très important lolu tamit dañ ko wara prévoir parce que quand même bala ñu jël ñeneen ñi nga xamne ñoo walian ci sénégalais yaa fi am problème problème chômage dañ leen wara a xol leen ba par jël wax ko du ne dama nationaliste mais wax ko c'est pour quand même dawal intérêt sénégalais parce que koo xam ne am nga expérience à l'extérieur plus vingt vingtaine d'années nga xool ne ñooñu noonu la ñuy doxalee te pour pourtant ay dëkk yoo xam ne dañuy wax ne ñoom pays de droit de l'homme la je vois pas pourquoi Sénégal ñoom du ñu war a mën a def loolu parce que aujourd'hui dëkk yi tey dañu dafa am benn standard standard bi mooy lan mooy sa kaaraange ngay njëkk a dawal ak sa intérêt te ñun suñu intérêt tey mooy sénégalais yi d'abord ñu am liggéey man foo loolu laay loolu laa gis sénégalais d'abord dañ wara am liguey man mën nañ ma taxer même de nationalisme amul problème mais dama gëm né sénégalais dañ wara am liguey d'abord parce que li chômeur ci sénégalais pour éviter yenn yenn yi parce que tey boo gisee immigration bi clandestine bi immigration bi métti na ñu ngi leen di toroxal lu nekk ñu ngi leen ko def à l'extérieur donc tey war nañ jël priorité fexe ba sénégalais yooyu dellu si ñu jox leen liggéey ñuko jox ñeneen ñu jox leen ko je crois que lolu wax ko ayut ubbi sa beut la ci le rew rew yi di doxé parce que à amé expérience ci yenn législation yi nga xol né dañ ko bind noir sur blanc priorité à tel priorité à tel priorité à ceux qui ont par exemple la carte de résident priorité à ceux qui ont la carte ceci et cela mais koku dañ ko bind ci sen législation man dama gëm né Sénégal aussi tay une évolution war nañ dem foofu dañu bàyyi affaireu Sénégal réewu teranga teraanga nag du du du du du du empêcher ñu jël suñu suñu suñu suñu matuwaay ci wàllu sécurité loolu euh, laa amoon loo xam ne buggoon naa ko tënk parce que dina am leneen loo xam ne dina am ëllëg mooy gis nga mbiru pétrole bi li ñuy wax marée dina mus a am ci dëkk bi tamit te bu marée noire amee kan mooy responsable bi prévoir guñ ko est-ce que dañuy def ko nu nu nu nasaraan bi wax mooy maanaam ki nga xam ne. moom moo moom moo polluer moom mooy responsable ou bien keneen ou bien seen assurance parce que ñooñu ñëpp dañu am ay assurance loolu aussi ñi nga xam ne seen xel màcc na ci wàllu environnement ci wàllu yoon dañu war a réfléchir tout de suite ñu définir règles parce que quand même mënuñu jël li nga xam ne moom moo am fële ñu adapté ko Sénégal ñun dañoo am suñu réalité aussi am na ñoo xam ne seen xel màcc nañ ci wàllu wàllu bu nekk Sénégal am na ñoo xam ne seen xel màcc na ci

xol yi fees nañ comme ni ma ko waxee mer bi am na ah ndogal ñëw na ni ma waxoon sànq rek mooy yii yëpp lu ko andi mooy ñàkk prévoir yenn yi la parce que li am stade Demba stade bu fekkoon ne ñun am nañ benn politique d'anticipation ci ay événements dinañu doon mun a. permettre de faire des choses. Nous sommes on est un peu fataliste sur les bords mais être fataliste ne veut pas dire aussi que nous devons prévoir parce que quand même par exemple nous avons stade Nous avons une commission sécuritaire à chaque fois bu événement a ñi dem ndax ndax dina len mën contenir bu amé ay débordement de foule ndax dina am li ak li loolu yëpp xamuñ ndax amna benn visite amna na benn visite euh, euh bo xamné def nañ ko avant événement bi donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne euh, li may wax ñàkk politique euh, d' anticipation te politique d' anticipation boobu bu ñu continuer noonu ci wàllu hydrocarbure mun nañu andil jéeya moo tax li may ñaan yàlla rek li may ñaan tey mooy euh, euh, gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoo nar a nekk député di toogal euh, askan bi ci ci pencum réew mi noonu ngeen koy wax pencum réew mi ñooñu war nañ commencé di commencé di xalaat conséquences yi nga xam ne affaire hydrocarbure yi ñu xam ne moom lañ découvrir war na ko am ci wàllu migration bi teg ay lois yoo xam ne yu wóor yoo xam ne dina mun a aar waa Sénégal aar surtout Euh, les terres euh, suuf si parce que ñu bari dinañ ñëw ak seen alal dinañ jënd euh si parce que bo xolé Sénégal réyu la Sénégal réyul à un moment donné dañuy pousser nit ñi sax ñi dem ñi dem ba booru côté Mali et même bor Gambie dugg Gambie donc il faut que yëpp ñu ñu ñu ñu tënk ko ci ben législation bo xamné ne dana dana dana dina dina dina aar Sénégalais donc lool vraiment pour ne pas être trop long pour ma baña a gudd. loolu laa amoon vraiment loo xam ne euh, moom laa bëggoon a tënk